C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau de Dakar dans ce nouveau numéro En ligne pour parler de politique, de société, entre autres sujets qui concernent l'actualité au Sénégal. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau M. Djibril Ba. M. Ba, merci et merci encore d'avoir honoré de votre présence cette émission en ligne. C'est moi qui vous remercie de nous avoir offert ce plateau. Euh, j'en profite pour euh, saluer vos téléspectateurs. Et vraiment, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Et votre émission est très suivie. Dakar Actu, euh, il faut le renaître. Euh, euh, fait la différence. Mhm. Merci pour cet honneur. Alors, les qualificatifs vous concernant sont nombreux. Hein. J'en citerai quelques-uns. Vous êtes président de la commission logistique euh, au niveau de la convergence euh, des quatre républicains, vous êtes également membre du comité exécutif national, vice-président du comité scientifique pour le panel dont vous allez organiser ce samedi au King Fat Palace. Nous en reviendrons. Cadre membre du cadre, cadre également à la SEGNA, vice-coordonnateur de la convergence des cadres républicains. Alors, euh, au niveau de ce panel que vous allez organiser euh, le samedi prochain au King Fat Place, on en parlait tout à l'heure. Alors, euh, un panel de haut niveau, vous dites les cadres républicains qui, qui ont décidé quand même d'atteindre de, de, la barre haute aujourd'hui par autre chose que de politique on peut avoir une idée des différents points ou sujets qui seront développés lors de ce panel Oui. Euh, ben, euh, merci beaucoup. Euh, ce panel que nous comptons organiser mhm. ce samedi prochain, ce sera un panel de très haut niveau sur le thème Le PSE en marche, quel Sénégal à l'horizon 2035. Ce panel sera de haut niveau parce que il sera animé par de hautes personnalités, par des experts, par euh, des personnes en charge des départements stratégiques, des personnes qui sont dans la mise en œuvre, en charge des projets et des programmes euh, pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Mm-hmm. Permettez-moi de vous rappeler que le plan Sénégal émergent et la vision de son Excellence le Président de la République Macky Sall pour euh, installer le Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035 dans un état de droit avec une société solidaire. Ça, c'est la vision du président de la République, d'offrir aux Sénégalais le meilleur, travailler pour le bien-être des Sénégalais. Donc, nous discutons de ce panel parce que, au sortir des élections présidentielles de 2019, euh, ce plan Sénégal émergent qui est décliné en deux phases, un mhm. plan d'action prioritaire 1, qui va de 2014 à 2018, et un autre plan d'action prioritaire, PAP 2, qui va de 2019 à 2023. Et qui est en phase de déroulement. Effectivement. Mhm. En fait, vous devez comprendre que le plan Sénégal émergent est devenu, depuis 2014, le référentiel de la politique publique, de la politique économique et sociale de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, vous comprendrez aisément que les programmes et les projets structurants du PAP les réalisations de ces euh, programmes et projets ont donné des résultats satisfaisants et ont donné des résultats probants. Et c'est ces résultats, sur la base de ces résultats, que les populations ont renouvelé leur confiance au chef de l'État. Parce que, à travers le PAP e, beaucoup de questions ont été prises en charge. Euh, permettez-moi quand même de rappeler que le plan Sénégal émergent est décliné en trois axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est-à-dire l'ambition de l'État, l'ambition du président de la République, c'est en fait de transformer la structure de notre économie nationale pour que cette économie puisse donner des croissances élevé, une croissance inclusive, une croissance durable et la transformation de cette économie pourra aussi donner en fait de la valeur ajoutée et créer des emplois. C'est cette notion de et je pense que, vous allez, vous voulez parler euh, Pas forcément, parce que le 535, j'allais en revenir, le 535. Mhm. C'est un mot qui, revient en vous souvent, hein. on vous entend souvent parler de 535. Le 535, c'est le programme de campagne du président de la République. Tout à fait. Le programme Ligueil, le, le mhm. rendez-vous avec l'avenir. Mhm. Et ce rendez-vous de, ce programme Ligueil le a valu au président de la République le renouvellement de la confiance des populations je le rappelle, c'est sur la base des réalisations et des projets assez structurants du PAC 1 que les Sénégalais, et sur la présentation du euh, programme Ligue, les Sénégalais ont renouvelé euh, dès le premier tour leur confiance au président de la République pour continuer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et ce 5-3-5, je l'explique un peu, ces cinq grandes initiatives national, mhm. ces trois programmes sectoriels à l'échelle nationale et ces cinq accès universels. Et ce 535 du président Macky Sall, qu'il a déroulé durant la campagne, qu'il a expliqué durant la campagne, c'est aujourd'hui, c'est ça qui consolide en fait le pape 2 du plan Sénégal émergent. Donc il y a une continuité. Mhm. Beaucoup peuvent penser que le 535 est différent du pape 2, plan d'action prioritaire numéro 2, mais c'est ça, ça qui inscrit dans cette même dimension. J'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que le plan Sénégal émergent repose sur trois axes stratégiques. La transformation structurelle de notre économie, le développement du capital humain par l'amélioration des conditions de vie et le troisième aspect, c'est la gouvernance, c'est la paix et la sécurité. Vous conviendrez avec moi que si dans un pays, l'économie marche très bien, l'économie crée des emplois, l'économie crée de la valeur ajoutée, le, gouvernement travaille à l'amélioration des conditions de vie des populations. Quand je parle du développement capital humain par l'amélioration des conditions de vie, c'est tout ce qui concerne les programmes sociaux que le président de la République a, déroulés. Mhm. Je veux nommer la couverture de maladie universelle, qui a fait ses preuves, les bourses de sécurité familiale qui ont fait leurs preuves, euh, les cartes d'égalité de chance qui ont fait, fait leurs preuves, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour développer le capital. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, je vais en revenir parce que le 535, 3 5 les cinq grandes initiatives, c'est quoi C'est le PSE Jeunesse à l'horizon 2035. C'est quoi C'est le PSE économie sociale et économie solidaire. C'est quoi C'est le PSE société numérique et inclusive. C'est quoi c'est le PSE vert ou la reforestation durable de notre territoires territoire national. C'est quoi C'est le PSE cap sur l'industrialisation. Donc, vous voyez ces cinq grandes initiatives s'inscrivent dans la même dynamique de répondre aux trois axes stratégiques. Soit c'est pour en fait améliorer notre économie, pour que cette économie puisse donner plus de valeur ajoutée, pour que cette économie puisse avoir un impact sur le vécu des Sénégalais en créant des emplois, mais pas des emplois, euh, des emplois durables et qui auront en fait, euh, qui vont améliorer le vécu des Sénégalais. Et, selon vous, par rapport à l'accroissement de cette économie, est-ce que aujourd'hui euh, le régime à place a, mis le cadre nécessaire pouvant permettre aux Sénégalais quand même de sentir vraiment ce bon en avant C'est ce que je voulais, c'est sur ça que je voulais revenir. Mhm. Si vous faites la remarque, de 2009 à 2013, le taux de croissance était en moyenne autour de 3%. Mhm. Mais quand le plan Sénégal émergent a commencé à être mis en œuvre à partir de 2014 jusqu'à la période de 2018 qui constitue la première phase du plan d'action prioritaire qu'on appelle PAP 1 communément, vous remarquerez aisément que le taux de croissance tourne autour de 6% et on, a, on, est allé vers 6,8% en ça fait De beaucoup de polémiques également. 6,8%. Hein. Laissez-moi, s'il vous plaît, je termine un peu sur mhm. cette idée. Mhm. Et notre ambition pour le pape 2, c'est arriver à 9%. Donc on te diront, en fait, la croissance, ça ne se mange pas. Évidemment. Mais elle a un impact, c'est un indicateur extrêmement important hein, par rapport à la santé euh, économique d'un pays. Mhm. Quand même, quand on est dans un concert de nations, Reconnaissez-le, le Sénégal est une démocratie avancée. C'est un petit pays, mais c'est un grand pays sur le plan international. De par la qualité des hommes que nous avons, des ressources humaines que nous avons. C'est pourquoi l'ambition du président de la République, à partir de ce que je disais tout à l'heure, les cinq grandes initiatives, et qui vont corroborer le troisième, deuxième axe du plan Sénégal émergent, le développement du capital humain, offrir à cette jeunesse une éducation et une formation de qualité pour que cette jeunesse puisse être compétitive à l'échelon international. Mhm. Parce que dans le rendez-vous du savoir et du savoir-faire, c'est la compétence qui, a, qui est un critère extrêmement important. Je disais tout à l'heure, quand un pays marche sur le plan économique et que par des projets assez succincts dans le domaine de la santé, beaucoup d'efforts ont été constitués, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, où aujourd'hui les coupures d'électricité sont derrière nous. Il y a un effort considérable qui a été fait par le gouvernement. Aujourd'hui, l'équité territorial, et aujourd'hui que est devenu une réalité, que le courant dans les villages les plus reculés du Sénégal, qu'on puisse avoir l'électricité. Donc, je voudrais faire allusion à l'électrification rurale qui est devenue une réalité dans beaucoup de pays à travers le PUDC, nous avons pu régler ce problème de l'électrification rurale. Parce que nous avons la chance d'avoir un leader qui est à l'écoute des populations. Rappelez-vous, avant de gagner la confiance des populations en 2012, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait fait l'ensemble du pays. Il est parti à travers les communes, à travers les communautés rurales, à travers les villages, rester à l'écoute des populations, écouter les doléances des populations. Et je pense que le plan Sénégal émergent est une réponse positive Tout à fait. aux différentes préoccupations des populations. Parce que l'ambition du président, quand il dit le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous, mhm. c'est aujourd'hui qu'il y ait plus d'équité, mhm. plus de justice, plus de transparence. C'est pourquoi je voulais en revenir en disant que quand on a une économie qui marche, quand on a un capital humain, des ressources humaines de qualité, et que la gouvernance pose problème, ou bien on est dans l'insécurité ou on est dans la, paix, ça ne marche pas. C'est pourquoi les trois vont de pair. Tout à fait reformer, transformer structurellement l'économie, mhm. améliorer les conditions de vie des populations, mais tout ça, ça doit se faire dans la paix, dans la sécurité et la bonne gouvernance. Mhm. Et c'est pourquoi euh, deux programmes assez ambitieux ont été pris par le chef de l'État dans ce cadre. Mhm. Euh, le programme de modernisation de l'administration publique c'est un ambitieux programme. Aujourd'hui, il faut moderniser l'administration pour que l'administration réponde efficacement aux attentes des populations. Absolument. Nous allons certainement y revenir. Alors, euh, la convergence des cadres républicains, républicains à travers vraiment ce panel euh, décide de taire peut-être les querelles politiques partisanes mhm. et se retourner vers le travail après quand même euh, la réélection du président de la République Macky Sall. Autrement dit, cela veut dire quoi c'est-à-dire que vous êtes conscient euh, des enjeux de l'heure, vous êtes conscient de la demande pressante de la population au point d'avoir ces rendez-vous pour un peu réfléchir sur la bonne marche du pays Écoutez, moi, je pense que la convergence du, des cadres républicains en tant que structure politique, un démembrement de l'Alliance pour la République, a toujours joué son rôle dans la dimension politique de ce pays. Je vais vous rappeler que tous les ministres, premiers ministres qui sont passés ont bénéficié de notre tribune euh, lors des rendez-vous républicains que nous organisons. Abdoul est passé chez nous pour partager avec tous les cadres la vision du président de la République, les réalisations que le gouvernement est en train de faire pour que les cadres portent aujourd'hui la politique publique. Parce que n'oubliez pas que nous sommes une structure politique. Être dans un parti, c'est être partisan. Nous avons accompagné son Excellence le Président de la République jusqu'au pouvoir, arrivé au pouvoir en 2012. Aujourd'hui, dans toutes les politiques publiques, il faut que les cadres jouent le rôle. Je pense que la rencontre, le panel de haut niveau que nous organisons vendredi, mhm. l'objectif principal que nous avons, c'est redynamiser toutes les structures du parti. Parce que, c'est vrai, c'est la convergence du cadre, des cadres républicains qui portent ce, euh, ce panel, mais toutes les autres structures seront là-bas. Ce sera l'occasion, après la victoire de 2019, que toutes les euh, structures du parti puissent communier autour de la vision du chef de l'État. Mhm. Et je vous rappelle que c'est le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui nous fera l'honneur d'ouvrir ce panel. Il le présidera lui-même, il sera là-bas à partir de, 10 heures. Donc, je pense qu'au-delà même du parti, toute la majorité présidentielle est invitée à ce panel pour pouvoir communier autour, pour pouvoir échanger, pour pouvoir échanger sur le fameux 535 mhm. qui, était, qui est le programme de campagne du président de la République, Alec. Je disais tout à l'heure que ces cinq grandes initiatives majeures, mais c'est toi aussi trois programmes, programmes sectoriels à l'échelle nationale. Et quand je parle de ces trois programmes, le premier programme est en train d'être déroulé par le ministère de l'Urbanisme, c'est le programme euh, Zéro déchet, qui invite un peu à plus de citoyenneté, qui invite à plus de euh, civisme, et que aujourd'hui, Dakar, Sénégal, joue le Sénégal joue un rôle extrêmement important euh, en Afrique de l'Ouest. Et, dans ce programme sectoriel, excusez-moi, figure également la création de 100 000 logements la création, la mise en place, ou bien euh, finir avec ces bidonvilles, euh, justement Oui, parce que c'est ces trois programmes, j'allais en finir, je mhm. les cite, puis après allez mhm. Le deuxième programme, mhm. c'est le programme... Euh, euh, premier programme, c'est zéro déchet. deuxième programme, c'est zéro bidonville. Et le troisième programme, c'est le programme des villes créatives. Donc, pour expliquer un peu en fait, comme vous étiez en train de le dire, l'accès au logement de mhm. manière très équitable mhm. est une préoccupation du président de la République. Sauf que souvent, on nous parle de logements sociaux alors que les plus sont un peu exorbitants par rapport à la bourse de ces Sénégalais lambda. Souvent, vous avez pensé à cela aussi Oui, euh, l'équité est... Euh, moi, je me rappelle encore, aux sorties des élections locales, avant qu'on mette en œuvre le PUDC, j'avais amené des jeunes chez le président. Et le PUDC n'était pas mis encore mis en œuvre, mm-hmm. mais vous sentiez chez le président de la République cette volonté de justice, cette volonté d'équité. Mm-hmm. Offrir à chaque Sénégalais un toit, c'est une préoccupation chez, le président. C'est pourquoi il avait lancé le concept de Sénégal pour, pour tous et le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Je pense que lors de cette euh, audience, j'ai été vraiment particulièrement touché quand le président nous posait à un des jeunes, quand vous prenez le votre budget, qu'est-ce que vous prenez Il dit le café importé. Vous prenez quoi Le sucre importé. Vous prenez, euh, vous prenez quoi Le lait qui est importé. il a posé une question extrêmement importante. Est-ce que vous pensez que ce jeune qui est au fin fond du Sénégal n'a pas les mêmes droits que vous qui êtes à Dakar mm-hmm. Il n'a pas droit à l'éducation. Il n'a pas droit à la santé. Il n'a pas droit au bien-être et c'est pourquoi, quand le président de la République a lancé le programme du champ de développement communautaire pour amener plus d'équité, en offrant à chaque Sénégal où il se trouve à travers euh, le pays l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'assainissement. C'est pourquoi je reviens sur les cinq accès universels. C'est pour recouper un peu cette idée, mhm. pour qu'il y ait plus de justice, pour plus d'équité dans l'offre de services de l'État. Parce que nous tous, Sénégalais, nous sommes égaux. Il n'y a pas de, de, Sénégalais citadins et Sénégalais les ruraux. Devant les services qu'offre l'État, tout le monde doit être d'égal, euh, servi de la même manière. C'est mhm. pourquoi, dans les cinq accès universels que le président a énoncés, il y a l'eau et l'assainissement, il y a l'électricité, il y a les services sociaux de base, les services de mobilité collective, et puis il y a les services sportifs et culturels. Donc c'est pour dire que le 533 du président de la République vient pour renforcer la mise en œuvre des projets et des programmes assez structurants du plan d'action prioritaire numéro 2. Parce qu'un plan, c'est quoi C'est l'ensemble de programmes. Les gens semblent l'oublier. Mhm. C'est l'ensemble ensemble de programmes mhm. qu'on met en œuvre pour répondre, atteindre l'objectif principal qu'on s'est fixé, c'est offrir aux Sénégalais euh, le bien-être. Faire en sorte que le Sénégal soit pays émergent à l'horizon 2030. Et je pense que les fondamentaux mhm. ont été réglés. Et, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez évoqué un peu l'aspect dynamique, c'est-à-dire redynamiser un peu euh, le parti qui parle de redynamisation, laisse entendre que les activités tournent un peu en ralenti. En tout cas, c'est mon niveau, c'est mon avis. Qui parle de redynamisation, parle également d'animation du parti. Alors, est-ce que là, n'allez-vous pas vous verser dans une campagne anticipée qui ne connaîtra pas de fin Écoutez, moi, mon avis, mhm. c'est que dans ce jeu, il y a un seul arbitre, c'est le peuple. Le peuple a décidé de renouveler sa confiance au président de la République pour continuer son ambitieux programme de plan Sénégal émergent, surtout sa phase 2, plan d'action prioritaire niveau 2 après avoir obtenu la confiance du président, de, de, de, de la population, c'est qu'est-ce qui nous reste C'est aller au travail. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour, la pour le travail. Et vous avez, euh, vous avez resté longtemps pour démarrer cela, hein, parce que cela fait presque un an que le président de la République a été réélu, Huit mois, neuf mois. Peut-être, euh, j'étais en train de vous dire que vous euh. ne suivez pas la convergence des quatre. <laughs> On a organisé beaucoup de forums à la place du souvenir. <laughs> Parce qu'on s'est dit que le Sénégal, il faut le diviser en quatre zones. Zone nord, zone sud, zone est, zone ouest, zone centre. Le, la convergence des cadres euh, républicains a organisé un forum à la place du souvenir et mhm. c'était très médiatisé. Quand on a quitté euh, Dakar, on est parti vers Saint-Louis. On a mhm. organisé un forum là-bas pour échanger sur les politiques publiques de l'État. Mhm. Quand on a quitté Saint-Louis, on est parti à Sidiou, vers le sud où on a organisé un forum. On a organisé un forum à Kaolak et bientôt Mbour va organiser un forum. C'est pour vous dire que <laughs> la convergence des, cadres républicains est un appareil politique. C'est un creuset de réflexion et une force de proposition. Vous conviendrez aisément avec moi quand on a un plan d'action qu'on doit dérouler. Euh, ce n'est pas au même rythme. Parce qu'il y a un temps pour la politique, les campagnes, les élections, la campagne est derrière nous. Mhm. On ne peut pas installer définitivement ces pays dans, une euh, période de campagne électorale permanente. Mhm. Mais nous, en tant que structure politique, c'est de notre rôle d'assurer la dimension politique. C'est pourquoi, dans ce panel, nous avons convié toutes les structures du parti, les mhm. jeunes, la COGER, le mouvement élèves républicains, élèves on a convié les femmes, le mouvement national des femmes, Sénégalais on a convié les sages. Les Sénégalais en général on Parce que notre cible, c'est aujourd'hui pour que notre cible, mhm. c'est les populations. Il faut que les populations comprennent davantage, comme mhm. ils ont fait confiance au président de la République pour, pour qu'ils travaillent pour leur bien-être. Il faut que les, les, populations soient au même niveau d'information. Mhm. Nous, l'objectif qu'on a dans ce, forum, c'est partager avec euh, l'ensemble des militants et des responsables euh, le 535, les cinq grandes initiatives et euh, les trois programmes et les cinq accès universels, que ça soit très bien compris par les populations et les gens, populations euh, les, militants comprennent là où veut aller le président. Mhm. À partir de ce moment, euh, nous avons un autre job, c'est de vulgariser ce programme à travers l'ensemble des communes l'ensemble des départements et mhm. que pour que chaque Sénégalais comprenne que le président de la République est en train de travailler pour son bien-être. Effectivement, effectivement. Et, à terme, il s'agit pour vous d'être une force de proposition par rapport aux activités que le gouvernement et l'État sont en train de dérouler Mais, euh, En tant qu'appareil politique, moi je pense que le président de la République l'a dit, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Mhm. Le président cherche les compétences un peu partout un Sénégalais, qui a des compétences avérées dans un domaine particulier, le président peut lui l'inviter à servir son pays. Et nous, en tant que politique, il y a un job qu'on doit faire, mhm. qui n'est pas lié au job du gouvernement. Nous accompagnons le gouvernement, c'est normal parce que c'est notre rôle en tant que structure politique d'accompagner la vision, de faire ressortir les réalisations du président, expliquer aux populations là où veut aller le président avec eux, mhm. et que s'il y a des problèmes et que des personnes qui tentent de saborder le travail du président, nous, en tant qu'appareil politique, mhm. c'est de notre rôle d'aller vers les médias, c'est de notre rôle d'aller vers les populations, être en contact direct avec elles et leur expliquer clairement mhm. l'ambition du président. Alors, et, parlant de, ce, panel qui sera organisé, je le rappelle, demain vendredi. Hein? Euh, samedi 16 novembre au King Fad Le samedi 16 novembre euh, au King Fad Palace. À partir de 9h. Et sera présidé par le président de la République, par Ricochet, chef de votre parti. L'Alliance euh, pour la République, le président de la République qui, je le rappelle, a été élu local. Il a été maire de la commune de, de, Fatik. Il a été remplacé par euh, l'actuel ministre en charge euh, des sports, M. Matarba. Alors, une autre question, parce que nous allons terminer par cette question qui fâche. J'espère que la discipline du parti aujourd'hui ne vous permettra pas peut-être d'y répondre, mais également, euh, vous êtes au niveau de la SEGNA, je le disais, au niveau de la présentation. Peut-être que vous avez une idée de l'aéronautique, n'est-ce pas oui. Alors aujourd'hui, euh, nous avons euh, la relance quand même euh, de cette agence sénégalaise en charge vraiment du voyage, je veux parler de Air Sénégal. Et bien sûr, comment se porte cette compagnie Parce qu'on a vu notre star international, Sadio Mane, en quittant Liverpool pour venir au Sénégal voyager bord, euh, à bord, j'allais dire, de, de, cette... Euh, de cette compagnie Air Sénégal. Comment se porte aujourd'hui cette compagnie Est-ce qu'il euh, n'y a pas de quoi que présentement, à l'heure où on parle Écoutez, moi, je vais aller au-delà. Permettez-moi d'abord de rappeler tous les efforts que le président de la République, son excellence Macky Sall, a fait dans le domaine du secteur aéronautique. L'ambition du président a été de faire du Sénégal un hub sous-régional. Mhm. Et pour avoir un hub sous-régional dans le domaine de l'aéronautique, il faut un aéroport de référence. Mhm. Et ce président de la République qui a terminé l'aéroport international de Plaisir. Entamé par l'ancien président de la mais c'est le président qui a terminé. Mhm. Ça, je le rappelle, c'est grâce aux efforts consentis par son Excellence le Président de la République est parti chercher des partenaires stratégiques. Il y a beaucoup d'avenants qui avaient été signés pour cet aéroport et qui mhm. tardaient à, On hein. mhm. Mais le Président a instruit les services compétents du ministère des Transports aériens en charge de tout ce qui concerne l'aéronautique de finir cet aéroport dans les délais requis. Et ça, ça a été réglé, le problème de pavillon national qui restait, Air Sénégal était, Sénégal SA était par terre et par la volonté du président de la République, on a une flotte, un pavillon national qui marche. Et on a des avions. Et le président ne s'est pas limité à ça. Il a donné le bon exemple. Vous vous rappelez, une fois quand le, président partait à Paris, il a pris Air Sénégal. Il a instruit les, les ministres, le gouvernement à Air Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut du civisme, il faut du patriotisme. Mm. Parce que ce serait contradictoire de vouloir euh, développer une compagnie nationale et ne pas la prendre. Donc, ces deux volets ont été pris en charge par son Excellence Président de la République. Il y a un autre programme extrêmement ambitieux, mm-hmm. un programme de 100 milliards de modernisation des aéroports intérieurs. Mm-hmm. Ça, c'est pour permettre de booster le tourisme il y a des difficultés. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le président de la République pour faire de notre secteur aéronautique un secteur de référence. Mhm. Et ce que vous venez de dire tout de suite est une corroboration de cette ambition du président de la République de faire du Sénégal un hub sous-régional. Tout à fait, tout à fait. Et on sent que c'est l'expert qui parle. Alors, beaucoup de journalistes le disent, c'est une question qui fâche chez vous. Mhm. Est-ce réel cette question relative au troisième mandat Vous savez, moi, mon sentiment, c'est que cette question, elle est malsaine. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas bénéficier de la confiance des populations. Le président n'a pas fait un, an. Les élections, c'est le 28, février 2019. On est toujours en 2019. Vous bénéficiez de la confiance des populations pour continuer le travail l'excellent travail que vous avez fait à travers les réalisations des projets assez structurants du PAC 1. Vous avez pro pro proposé l'ambitieux programme le décliné en cinq grandes initiatives, trois programmes sectoriels et cinq accès universels. Qu'on vient de vous parler de, troisième mandat. Tu n'as même pas encore démarré ce travail. Selon vous. moi, je dis c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. Moi, en tout cas, j'estime que au niveau de notre parti, ça ne doit, pas être notre préoccupation. Mm-hmm. Notre préoccupation, ça doit être comment aider le président à répondre efficacement aux fortes attentes des populations. Parce que le dépôt de confiance, c'est extrêmement important. Dimanche, la politique, c'est des dimanche on vient de, finir les élections présidentielles, on n'a même pas encore entamé la deuxième année. Vouloir parler de quelque chose qui va arriver cinq ans, mhm. d'ici cinq ans, qui, va vous, dit que d'ici cinq ans nous serons en vie Personne. Absolument. Personne. Donc moi, je pense que ce qui est plus important, c'est unir nous tous de la majorité de l'Alliance pour la République, de la coalition Beno Bokyaka, de la majorité présidentielle être autour, s'unir autour de la vision du président de la République, à dire faire de Sénégal un pays émergent mhm. à l'horizon 2035. C'est ça que la vision du président, l'objectif que le président a, c'est améliorer considérablement les conditions de vie des populations. C'est ça qui doit être notre préoccupation et non de discuter d'un troisième mandat qui viendra l'élection présidentielle, euh, euh, c'est 2024. 2024, euh, c'est pas aujourd'hui. Tout à fait. Mais tu me diras certainement que il faut faire de la prospective, mais en tout cas, mon sentiment, j'invite tous les militants, tous les sympathisants, tous les militantes, sympathisants de l'Alliance pour la République, les militants de, et sympathisants de Beno la grande majorité présidentielle, a travaillé pour offrir aux Sénégalais le meilleur. Parce que le, le juge, c'est qui L'arbitre, c'est qui Le peuple. C'est le peuple. Donc, si le peuple est content, mhm. attends, le reste, c'est à lui de décider. Nous sommes une démocratie majeure. On a dépassé l'ère où on volait des élections, où on truquait des élections. Il y, a, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mhm. Mhm. C'est ça. Regardez autour de nous. Le Sénégal est en fait, est stable. Parce que, pourquoi Pas parce qu'on l'a décrété, c'est là par la maturité de la population sénégalaise. Effectivement. Il faut qu'on ait plus de respect, plus de considération à cette population. Effectivement. Parce que le dernier ressort euh, revient à cette population. Tout à fait. Alors, M. Ba, cela ne se fait pas souvent chez nous, mais en 30 secondes, nous allons vous permettre, vous donner l'occasion de parler mhm. un peu de votre panel qui sera organisé, je rappelle, le 16 prochain au King Fat Place devant la caméra en quelques secondes vous nous parlez de ce panel ben waaw di sant di gërëm ñëpp enfin wolof pour pour bien communiquer <laughs> voilà sa la <laughs> yi mhm. di wax né rek alliance pour la république convergence des cadres muy bankas bo xamné dafa ci alliance pour la république fay organiser samedi un panel de haut niveau panel pour xamné ay experts ay ñi nga xamné seen xam-xam dafa ci yenn fànn yi euh, ñoo ñoo fay daje pour waxtaanee ci gis-gis bi nga xam ne ne président am na ko pour jëmale Sénégal kanam muy le plan Sénégal émergent mm-hmm. ñu ñu tënkee ko plan Sénégal émergent en marche mm-hmm. ban ëllëg pour euh, Sénégal en 2035 panel boobu nag euh, njiitu réew mi président de la république moom moo ñuy ñoo ñu defal honneur di ko jiite samedi CCR nak moko organiser organisé mais tekkiwul ne cadre yi rek ñoo fay nekk. Mhm. waaye parti bi yëpp bokk nañu ci ñi nga xam ne nañu événement bi parce que euh, muy ndaw yi avec la COJER ci sama rak Moussa si jité ko ak maire ak mouvement des femmes ak réseau des enseignants arabisants yi bànqaasu parti bi yëpp lënkaloo nañu joxante nañu loxo fan yi bo boo jaaroon siège ba da nga gis né ne animation am na fa. pour waajal bés bi. Mhm. bés bi nekk loo xam ne ne euh, ñetti panel lañ ci organisé. Mhm. panel yi nag mooy li nga xam ne ne ci campagne électorale bi président de la république liggéeyal ëllëg boobu mu doon wax mu tënk ko ci cinq initiatives trois programmes ak euh, cinq accès universel bokk na ci tontu bi nga xam ne ni président indi na ko pour saafara. jafé jafé yi nga xamné né Sénégalais jankonté jànkoonte nañ ko ci seen dund ndaxte nak yéné bi nga xamné né président am na ko mooy Sénégal jëm kanam mais Sénégal mu jëm kanam nekkinu Sénégalais yi tamit jëm kanam loolu yëpp nak mu nekk ci jàmm mu nekk ci euh, kaaraange bu doy mu nekk ci bonne gouvernance xaw ma ñu koy waxé ci wolof. tout à fait donc yaakaar naa ne période bi daal ñu ngi ciy woo militants yëpp. Mhm. sympathisants yëpp de la grande majorité présidentielle yemuñu rek ci Benno Bokk Yaakaar yemuñu rek ci APR Alliance pour la République dañ ci invité ñëpp ñi nga xam ne ne safoo nañu seeni président de la République Macky Sall ndaxte nag. Mhm. Euh, occasion bu mel ni ñu ngi koy soog a am depuis bu ñu génnee ci élection présidentielle yi ba léegi. absolument ndaxte nag lu ñu nam ñun convergence des cadres mooy bànqaasu parti yëpp ñu weccoo xalaat. ci gis-gis ki nga xam ne ne président de la république am na ko pour jëmale Sénégal weccoo ci xalaat bu ñu paree foofu ñu wasaare gis-gis kii nga xam ne ne président muy 535 boobu 5 initiative yi 3 programmes yi ak 5 axes ñu wasaare ko ci Sénégal yépp mm-hmm. pour askan bi xam ne ne kii ki nga xam ne ne wóolu nañ ko ba dénkaat ko lenge yi mu jiital mu mu liggéeyal leen juróomi at yii di ñëw ba deux mille vingt quatre kooku ku jara yi wóolu la. effectivement eh, et que donc euh, il faut tamit askan boobu mu xam parce que nit tamit boo koy gunge muy dem fenn ci bërëb il faut nga xam yoon bu ngeen di jaar il faut nga xam matuwaay yi nga xam ne da ngeen koy jël il faut tamit nit ki fu mu munti toll ci liggéey bi nga xam ne daf la koy liggéeyal pour jëmale Sénégal kanam nga xam ko yëg ko bañu réeru ak moom kon jubluwaay bi daal mooy.

ñu dugg ci biir askan bi ak Sénégal merci à Djibril Ba je rappelle que vous êtes le président de la commission logistique. de la CSR infrastructure équipement transport. exactement vous êtes également membre du comité exécutif national vice-président du comité scientifique pour le panel et je rappelle que ce panel euh, est prévu le samedi prochain et le thème prévu est le PSE en marche quel Sénégal à l'horizon merci infiniment à vous merci également à vous Amé qui nous suivaient, ainsi qu'à ces réalisateurs, les réalisateurs qui m'ont permis euh, de vous préparer à vous présenter également ce nouveau numéro dans ligne qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, l'information continue, comme j'ai l'habitude de le dire, sur la référence de Caractu TV. Merci bien.